nos yeux pour la prière. Notre Père, te remercions pour ce matin encore. Merci pour le privilège de sonder les Écritures. Père, nous te demandons, comme nous parcourons la leçon ce matin, ouvre nos yeux pour découvrir ce que tu veux que nous découvrons. Aide-nous, Seigneur, à éviter tous les pièges dans les générations passées et pour avoir le regard sur toi pour la purification totale mise en place pour nous au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les ossements. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ce matin, nous considérons le thème les offrandes et le péché présomptueux. Dans notre étude dernière, précisément il y a deux, nous avons vu l'incident déplaisant des enfants d'Israël, comment malheureusement ils ont exprimé la rébellion, euh, l'incrédulité, ils ont murmuré contre Dieu, ils ont murmuré contre Moïse le serviteur de Dieu. Cette attitude a attiré la colère de Dieu qui a donc prononcé la destruction sur eux. L'homme de Dieu, Moïse a prié comme l'a intercédé pour eux. Dans Nombre chapitre 14, le Seigneur les a exaucés et a dit, j'ai pardonné selon ma parole. Mais le péché doit être expié. Donc, pour euh, la pleine restauration et l'assurance pour entrer dans la terre promise de Dieu Tout-Puissant, a institué le sacrifice et les lois pour eux. Dans, au chapitre 9, verset 22. 9, 9, verset 22. Voilà le, lieu de l'expiation là, qui veut dire que le péché doit être expié. Verset 22. Euh, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Aujourd'hui, comme nous considérons notre thème les offrandes et les péchés, les péchés présomptueux. C'est bon, nous a dit, afin que tout péché présomptueux soit enroté de nos vies au nom de Jésus. Le verset à mémoriser est dans Nombre, chapitre 15. Quelqu'un est-il là Nombre, chapitre 15, verset 39. Oui, c'est dans la couronne là-bas. Nombre, chapitre 15. Verset 39 e 40. chapitre 15, verset 39 40. Merci beaucoup. Merci pour vos essai. Prenez votre livre lisez votre texte pour nous. Nom chapitre 15, nous lisons verset 1er, verset 41 à cause de notre temps. Nous allons prendre chapitre 15, verset 1 à 4. Nom chapitre 15, verset 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne pour y établir vos demeures, et que vous offrirez à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu, soit un holocauste, soit un sacrifice en accomplissement d'un vœu, ou en offrande volontaire, ou bien dans vos fêtes pour produire avec votre gros ou votre menu bétail une agréable odeur à l'Éternel. Celui qui fera son offrande à l'Éternel présentera une offrande un dixième de fleur de farine pétrie dans un cas de lin, de hain d'huile. Le verset 13, au verset 16. 13. Tout indigène fera ces choses ainsi lorsqu'il offrira un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Si un étranger séjournant chez vous ou se trouvant à l'avenir au milieu de vous offre un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur l'Éternel, il offrira de la même manière que vous. Il y aura une seule loi pour toute l'assemblée, pour vous et pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Il en sera de l'étranger comme de vous devant l'Éternel. Il y aura une seule loi et une seule ordonnance pour vous et pour l'étranger en séjour parmi vous. Verset 24, verset 24, verset 31. Il dit Si l'on a péché involontairement sans que l'assemblée s'en soit aperçue, toute l'assemblée offrira un jeune taureau en holocauste d'une agréable odeur à l'éternel avec l'offrande à la libation d'après les règles établies. Elle offrira encore un, un bouc en sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera l'expiation pour toute l'assemblée des enfants d'Israël et il leur sera pardonné car ils ont péché involontairement et ils ont apporté leur offrande, un sacrifice consumé par le feu en l'honneur à l'Éternel et une victime expiatoire devant l'Éternel à cause du péché qu'ils ont involontairement commis. Il sera pardonné à toute assemblée des enfants d'Israël et à l'étranger en séjour au milieu d'eux, car c'est involontairement que tout le peuple a péché. Si c'est une seule personne qui a péché involontairement, elle offrira une chèvre d'un an en sacrifice pour le péché. Le sacrificateur fera l'expiation pour la personne qui a péché involontairement devant l'Éternel. Quand il aura fait l'expiation pour elle, il lui sera pardonné. Pour l'indigène parmi les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, il y aura pour vous une même loi quand on péchera involontairement. Merci quelqu'un si quelqu'un, indigène ou étranger, agit la même levée, l'outrage de l'Éternel et celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Comme nous considérons notre étude, nous devons comprendre que Dieu, en étant le Dieu de miséricorde, a exaucé l'intercession de Moïse pour tout le peuple et pour la pleine restauration, l'assurance pour entrer dans la terre promise l'a instruit, l'a instruit des lois et des sacrifices. Mais c'est important pour nous de savoir que la provision pour le péché, comme nous avons lu, l'Holocauste, et pour ceux qui pêchent dans l'ignorance involontairement, c'est différent de ceux qui se, ça donne à, au péché présomptueux. C'est très important pour nous de prendre note de cela a parlé de péché présomptueux. Question ici, quelle à part de ce que nous venons de lui, qu'est-ce qui attend ceux-là qui s'adonnent au péché présomptueux devant moi Ceux qui s'adonnent au péché présomptueux, jugement de Dieu et son indignation les attend. Ensuite, il y a encore un avertissement pour ceux-là qui sont très familiers à la parole de Dieu et qui s'adonnent au péché présenté. Hébreu chapitre 10. Hébreu 10. Je vous lis le verset 26. Hébreu 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Donc ceux-là qui pêchent volontairement, délibérément, ceux-là qui pêchent répétitivement, comme, et comme s'il y a une provision euh, disponible pour le péché, doivent être avertis, mis en garde. Cela nous aider au nom de Jésus. Verrons point numéro 1 voyons la régulation. Hein. Nous voyons euh, comment la réglementation pour des, pour des offrandes. Nombre chapitre 15, verset 2. Nous voyons ici comment Dieu étant le Dieu fidèle. dit parle aux enfants d'Israël et dit-leur, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne pour y établir vos demeures. Voyez, ça, c'est une assurance venant du Seigneur lui-même. Il dit, c'est une assurance que lui qui a fait la promesse aux enfants d'Israël, la terre promise, il va les faire entrer dans ce pays. Ce n'est pas, il n'y avait pas de doute, est-ce qu'il est possible de le faire Il a, c'était très défini. Dieu va l'accomplir, va accomplir les promesses qu'il a données à ses enfants. Cela montre aussi que dans ta vie, quelles que soient les promesses qu'il t'a données, il aura, il va l'accomplir au nom de Jésus. Il a donné la terre, le pays, tel qu'il l'a promis. Dieu espère que les enfants d'Israël lui présentent des offrandes dans le pays. Il leur donna des directives. Arrivé sur cette, dans ce pays, voici, voici comment vous devez rendre service, vous devez ouvrir pour Dieu. Montrant que quand vous venez dans le royaume, Dieu a des directives. Si nous voulons bénéficier de notre communion avec Dieu, nous devons suivre les, directives données. que quand vous venez ici, vous allez écouter plus des directives de Dieu afin d'être béni au nom de Jésus. Dans Nombre chapitre 15. Nombre chapitre 15. Je vous lis au verset 15 et 16. Nombre 15, verset 15. Il y aura une seule loi pour toute l'assemblée, pour vous et pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Il en sera de l'étranger comme de vous, devant l'Éternel. Verset 16 il y aura une seule loi et une seule ordonnance pour vous et pour l'étranger en séjour parmi vous. Maintenant, la question de ce que, sur ce que nous venons de lire. Non, cela. Dieu a dit quoi Une seule loi, une même loi. Et si elle met là, qu'est-ce qu'il peut Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce que Dieu a ah, Dieu a fait la même exigence sur les juifs et sur les étrangers. Il n'y a pas de Dieu n'a pas d'appartenance de personne, que ce soit que nous sommes. Il n'y a pas d'inégalité devant Dieu des juifs et des étrangers, des païens. C'est cette déclaration Dieu n'a pas d'acception de personne, quel que soit votre euh, fondement social, éducatif, religieux, tribal ou quel que soit le fondement Dieu, exige le même standard. Gloire à Dieu. Donc il n'y a pas de place pour dire je ne suis pas ouvrier. Non. C'est, la, même, réglementation, la même, directive, le même standard. Il dit même les étrangers qui séjournent chez vous, les mêmes préceptes, les mêmes lois, les mêmes directives sont appliquées. Même chose aujourd'hui. Je ne peux pas dimanche. Je aller au village pour dimanche. Je ne suis pas en ville maintenant. Je ne suis pas ouvrier. Et qui font là-bas. Bon. Non, il n'y a pas de différence. Ça va nous aider au nom de Jésus. La parole de Dieu s'applique aux ouvriers, dirigeants, ministres, à tout enfant de Dieu qui est né de nouveau je, et qui veut servir pour aller au ciel. Ça va nous aider au nom de Jésus. Le standard qu'on a reçu, c'est de porter la lumière de repentance partout où nous allons. Nous devons porter le fruit de, digne de la repentance, que ce soit dans la ville comme dans le village. Aussi, pas seulement ça, c'est aussi la manifestation que les païens, c'est les étrangers, comme la Bible nous a appris là, dans ton domaine, dans ton proche voisinage, ton employeur, ton employé font partie aussi du, plan de Dieu. nous devons les aider à trouver le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur. Ça va nous aider au nom de Jésus. Euh, chapitre 15, verset 17. Ce même texte, verset 17. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, et dis-leur, quand vous serez arrivés dans le pays où je vous, ferai entrer et que vous mangerez du pain, du pain de ce pays, vous plaiderez une offrande pour l'éternel. Voici le Seigneur a exigé, demandant aux enfants d'Israël de prélever, de l'honorer avec leur offrande pour montrer qu'il est le Dieu, il est le Dieu qui les a bénis. Cela veut dire que comme nouveau, les, nouveaux, euh, les croyants du Nouveau Testament, nous devons aussi honorer Dieu en dehors de, des dons habituels, c'est les dîmes, chaque jour. nous devons aussi honorer Dieu avec nos dons. En tant que des croyants du Nouveau Testament, nous devons payer nos dîmes et offrandes. En plus de ça, nous devons faire des offrandes libres pour euh, euh, sur les 90 10 en appréciation à Dieu. Ézéchiel chapitre 44, deuxième partie ici. Ézéchiel 44, afin qu'il envoie la bénédiction pour se reposer sur ta vie. Cette année, Dieu enverra sa bénédiction sur ta maison au nom de Jésus. Point numéro 2 maintenant. L'exigence de l'offrande pour le péché. Lévitique chapitre 4. Je vous lis verset 13. Lévitique chapitre 4, verset 13. La Bible nous dit, à cause de ce que le nom de la Dieu exige, les enfants d'Israël, les Juifs, le nombre de réglementation était beaucoup la tendance pour d'errer, pour faire des erreurs par l'oubli était là. Dieu avait donné l'exigence concernant le sacrifice pour expier le péché d'ignorance, le péché d'omission. voyons qu'ils avaient reçu cela pour le péché d'ignorance, le péché d'omission. Mais aujourd'hui, c'est en présence dans cette euh, dispensation, Dieu ne, néglige pas le péché. Tout péché euh, commis par ignorance ou commis par omission peut être seulement pardonné après que le pécheur est reconnu qu'il a péché et qu'il s'est repenti et qu'il a donc manifesté la foi en le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, que vos péchés soient par omission ou ignorance, la fontaine est ouverte. Le sang de Jésus vous lavera ce soir, ce jour, pardon, au nom de Jésus. Soyez totalement persuadés. Et que ce votre catégorie de péché, je l'ai fait dans l'ignorance, je l'ai fait dans erreur. Mais aujourd'hui, vous ne devez pas quitter ici en tant que pécheur. Parce que Jésus-Christ a ouvert la porte. Et quand vous rentrez, confessez vos péchés, répandez vous et acceptez le vous serez affranchi au nom de Jésus. Ça, c'est la bonne nouvelle pour vous ce jour. À des apôtres, chapitre 17. À des apôtres, chapitre 17. Verset 17, verset 13. Verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, même ce matin, annonce à tous les hommes, en tous lieu, qu'ils font quoi Qu'ils aient à se repentir. Il y a de place pour se repentir ce jour. Et que votre niveau de péché, il y a de, il y de mm. place pour votre repentance ce jour et le Seigneur va vous accepter au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va vous accepter au nom de Jésus. Si vous êtes, euh, si vous recevez ce que je dis, donc euh, comment est-ce que le péché peut être purifié de, ses erreurs, de son, de son péché péché doit se doit réaliser qu'il est péché et s'approcher humblement du calvaire pour pouvoir recevoir la purification. Ce matin, aucun pécheur ne va quitter sur lui en tant que pécheur au nom de Jésus. Il y a une fontaine qui coule. Jésus attend, propre toi Point numéro 3, la rétribution pour les pécheurs présomptueux. Il y a la rétribution quand nous parlons de la présomption, la présomption, les pécheurs présomptueux sont des égoïstes, sont des égoïstes, des gens qui sont autoconfiants, très familiers, familiers ou familiarisés à la parole de Dieu. Et il y a la rétribution. La a dit ceux-là, ce sont ceux-là qui confrontent l'autorité de Dieu et qui font pour accomplir leurs propres désirs. Les gens qui contredisent la loi de Dieu, malgré les conséquences sont là, ils osent. Les conséquences sont grandes. Les conséquences d'être présomptueux. nous parlons de la présomption, le péché présomptueux ne pas totalement derrière, ne regarde pas en arrière, voyons au sein, de, notre sein, dans notre enseignement ici, il y a une partie, un homme avait été attrapé en train de rassembler des bois au jour du sabbat et il était conduit vers Moïse et Aaron. Moïse a consulté Dieu. Oui. Cet homme devait, cet homme avait été euh, donc lapidé. Oui, cet homme était lapidé. Donc, quand nous parlons de présomption, de présomptueux, dans ton, dans ton coin là-bas, tu dévis. Tu te dévis de ce que Dieu a dit, ce que la Bible a dit. Tu es tellement euh, familiarisé à la parole de Dieu, tu es, indifférent. Ça, c'est une, présomption. La conséquence est que cette personne sera, sera donc détachée de la congrégation. Plusieurs peuvent être en communion avec des hommes physiques, mais se sont retirés, retranchés de la présence de Dieu. Je prie que ce matin, tu ne sois pas retranché de la présence de Dieu. C'est une coupe. Euh, c'est une coupe médicale. Je euh, ne guéris pas comme ça. Ils viennent en communion, mais la présence de Dieu ne sont pas connectés, ne sont pas là. Parce qu'ils sont dans le péché présent. C'est pour ce matin, tu te considères. C'est un jour de bénédiction spéciale. Ça ne va pas te laisser. Ça va, va continuer avec toi. Tu n'es pas pressé. Ce jour, tu regardes ta vie, tous les péchés présomptueux, et loin les de ta vie, et le Seigneur va t'aider au nom de Jésus. La Bible dit, si nous péchons volontairement, après avoir entendu, après avoir reçu la vérité, il n'y a plus d'autre sacrifice. Donc, il nous dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui sera retranchée. Mais ça va te dire ce matin, tu ne seras pas retranché au nom de Jésus. La mesure était, non, dans notre texte, Dieu de miséricorde, ne va pas mépriser la miséricorde de Dieu ce matin au nom de Jésus. Dieu aime les âmes. Il a créé ces âmes. Il a mis en place dans la Bible. Il y a ce problème de, de la des enfants d'Israël. Plusieurs vont mourir comme ça. Mettez un signe dans votre habillement pour vous faire rappeler chaque fois. Ces choses étaient attachées à les habits pour les permettre de se souvenir afin qu'ils ne soient pas aussi oublieux comme la, de la loi de Dieu tombés dans ces situations terribles. La question est celle-ci. Quelle est la signification de ces rubans dans l'habillement ils avaient, demandé de mettre certaines, certaines choses dans leurs euh, habits. Ça fait qu'ils n'oublient pas la parole de Dieu. Partout, ils se tournent se souvenir. Ça, Maintenant, pour nous, aujourd'hui, pour nous aujourd'hui, quels sont les moyens de se souvenir Comment amener les croyants aujourd'hui à se rappeler de la volonté de Dieu, n'avons plus besoin de mettre encore certaines choses dans nos habits. Mais il y a des moyens, on peut permettre, et quelqu'un là pour nous permettre, oui, volonté. comment amener les croyants d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous rappelle, dans sa dispensation, Christ a tout aboli, aboli toutes ces cérémonies il nous a donné le Saint-Esprit pour nous rappeler tout le temps des voix du, Père. Aujourd'hui, tu feras la volonté de Dieu au nom de Jésus. Nous avons entendu sa parole, nous avons son esprit qui habite en nous, Emmanuel est avec nous. Et bien sûr, ça veut cette église, par la grâce de Dieu, vous n'irez pas, en enfer au nom de Jésus. Nous avons tous les moyens pour tenir, rester. La parole de Dieu est là. Dimanche, nous sommes ici. La parole que vous entendez la parole de Dieu sera réactivée à vous. La publique lundi, c'est une opportunité pour venir, pour réactiver la parole de Dieu. Jeudi est là. Voyez je que Et avec tout ça, vous serez gardés en souvenir. Vous allez toujours garder cela en souvenir. Le Dieu des de cieux va vous garder, à vous soutenir. Au nom de Jésus. Levez-vous pour la miséricorde et afin que vous demeurez perpétuellement pour lui. Ce matin, on a vu le remède de Dieu pour tout péché. Le péché ruine. Le péché détache, retranche quelqu'un de la communion avec Dieu. Le péché amène quelqu'un à ne pas voir le repos de Dieu sur la terre. Et, mais il y a remède, il y a la fontaine, il y a l'expiation qui t'attend pour que tu viennes ce matin. Et bien sûr, pour quiconque qui méprise cette offre, il y a la rétribution qui attend cette personne. C'est pourquoi ce matin, tu vas amener Ne pas que tu as, tu affaire, ne pas que tu joues pour dire je suis religieux. Non. Seigneur, je viens. Toute pomme de péché, il y a une provision pour toi, pour cela ce matin. Que ce soit erreur ou omission ou ignorance, comme tu viens de se dire, tout s'est passé. Maintenant, il répands-toi. Et comme tu te répands, tu vas, tu vas te récupérer dans son royaume au nom de Jésus. Fermons nos yeux, baissons la tête et invoquons le nom du Seigneur. J'étais pécheur ici, pas présomption, pécheur présomptueux, désobéi, présomptueux, égoïste. Esprit du Seigneur, de moi Au nom de Jésus, nous avons prié. Notre Père, te remercions ce matin pour la vérité que tu viens de nous révéler. Tu nous as aimés. Tu ne veux pas que nous allions dans la voie des enfants. Des où les enfants d'Israël sont passés, la désobéissance. Père, tu as mis en place quelque chose de meilleur, plus que le temps. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides, de nous approprier, d'accepter ce que tu as mis en place au nom de Jésus. Que les pécheurs ici ouvrent les yeux pour voir ta provision et s'en approprient au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour les ossements. Au nom de Jésus, nous avons prié. Donnez un Amen fort. Nous avons donc euh, reçu l'étude le de notre sondé de culture. Euh, si quelqu'un a des questions à poser, vous pouvez lever la main et venir devant le rôle où vous vous trouvez. Si vous avez des questions à partir de l'étude, venez si laisse cela et au même moment, venez devant, devant le rôle où vous êtes. notre frère devant là. Bonjour, pasteur. Je lis Malachie chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison de l'Éternel toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Prouvez-moi si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses dessus et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ma question est celle-ci. Je veux savoir tous les dîmes et offrandes venant à l'église, au siège de l'église, dans les églises locales ou dans les, districts ou dans les régions, les démons ils n'ont pas divisé une partie venant à l'église au ciel et une partie dans l'église locale. Je veux savoir, est-ce que c'est de la Bible ou c'est une doctrine de notre église? partir de ce que vous avez lu, Malachie chapitre 3, au verset 10. Parce qu'il n'y a pas de conclusion, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses dessus, Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je remenacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Vous commencez au verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Maison, toutes les dîmes. Je ceci pour corriger certaines pratiques qui disent qu'ils payent la dîme. Vous voyez, le, le, dit apporter à la maison du trésor. Il n'a pas dit, il n'a pas dit sortez du apporter, apportez, ne pas dire sortez, euh, apporter, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve du l'Éternel des armées. Et verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, voilà, mon frère, comme nous avons étudié ce matin, Dieu a donné les instructions à Moïse de parler aux enfants d'Israël, comme ils étaient en voyage vers la terre promise. Les offrandes et les sacrifices dont il a parlé étaient supposés aller pour pouvoir euh, préserver la vie pour la terre promise. Ils ont quitté récemment de l'Égypte le lieu de, de souffrance. Ils n'avaient pas de, relation avec le Dieu des cieux, mais cela est devenu nécessaire quand ils étaient en voyage vers la terre promise que Dieu avait donc pris le soin de, les instruire par Moïse. Il les enseigné, il lui a montré euh, des offrandes et des sacrifices il a fait, numéro un, comme pour les préparer pour la vie qu'ils auront à vivre sur la terre promise. Et à partir de ce que nous avons vu, le seul, la, seule, fois qu'ils ont eu des problèmes, c'est lorsque quelqu'un avait violé la loi. Des autres chapitre 20, vous verrez certaines, certaines lois, spécifiquement ce que nous avons lu ce matin, Quelqu'un a violé la loi du sabbat et a fait ce qu'il veut. C'était juste pour dire, il n'y a pas de leadership. Je ne pense pas que je peux prendre ceci, cela. Et il a souffert pour ça. Mais comme plusieurs étaient obéissants, ils avaient joui de la provision, comme c'était une, c'était une obéissance à garder les lois concernant les offrandes, les sacrifices, ces enfants d'Israël, ils avaient vu qu'il avait, vu le leadership. Il n'y avait pas Moïse, ce que tu dis là. Pourquoi ne pas faire ainsi Ceux qui l'ont fait avaient souffert pour ça. C'était pour les enfants d'Israël. Maintenant, quand venons dans la le temps, le temps de la nouvelle alliance et spécialement une église comme la nôtre. Les choses ne sont pas laissées en désordre. Il y a un leadership dans l'église. Et c'est ce que le, leadership de l'église dit selon la, Bible. est ce que nous faisons. Vous soyez dans les nations, dans les États comme au Nigeria, à Lagos ou dans n'importe quelle région il y a un leadership. Et si quelqu'un, pour une raison, pour un temps, va se lever pour dire, ah, ceci-là qu'il faut maintenant, ce n'est pas bon. Faisons d'une autre façon. Ou il veut influencer d'un pour dire, vous savez, et c'est a chose qui veut provoquer euh, le, on va la manière dont ils le font là. C'est comme si tenté, Dieu, tenter le leadership de, de, l'Église. Comme membre de l'Église, venez de nouveau, comme enfant de Dieu, venez de nouveau, par la grâce de Dieu, pour vous, c'est d'obéir à tous les, toutes les, les toute l'administration qui a été établie dans l'Église. Quand nous venons ici, pour, pour nous, c'est d'obéir. Le leadership de l'Église est conduit par l'Esprit de Dieu. Et toutes les fois, tout ce que Dieu décide de faire, il le fait. Comme je ne pense pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, par la grâce de de nouveau, nous devons avoir des problèmes dans la manière dont les choses sont faites dans l'Église. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Nous obéissons, ne sortons pas ça en dehors pour euh, les évangélistes euh, qui sont notre dans le Il dit là où vous êtes nourris, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve de l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Pour nous, c'est l'obéissance et le leadership dans l'Église. Nous n'avons pas besoin de nous lever, commencer à poser des questions comment les se sont faites. Verset 11, il dit Pour vous, la clôture. Voilà, le pinceau. Maintenant, il dit Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Et toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées pour nous, par la grâce de Dieu, quel que soit ce, quel que, soit ce que nous sommes, que nous sommes, d'avoir l'obéissance, le leadership dans l'Église. Comme la Bible l'a dit, il dit, afin qu'il y ait de la nourriture. Vous voyez ce bâtiment qui est maintenu, entretenu. Vous voyez euh, le, le, mouvement du président général d'un lieu à un autre, beaucoup de choses qui sont faites, beaucoup d'autres lieux qui sont faits. L'argent est nécessaire. Prends soin de ces choses. Comme je l'avais dit, pour nous, c'est de l'obéir. Il y a les dans l'église, il y a les enfants de Dieu. Ce que nous pouvons faire, c'est d'obéir. Si vous êtes d'accord avec ça. Merci, que Dieu bénisse maintenant un peu aller de l'avant dans ce que nous avons dit. J'ai dit ceci, comme ce verset, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénition en abondance. Ce que nous avons étudié ce matin les dîmes et également et, les dîmes et les offrandes. Comme l'avons dit, c'est supposé apporter le, nous l'apporter lieu, au lieu où nous sommes nourris et préparés pour le royaume de Dieu. Maintenant, il y a plusieurs de nos frères et sœurs qui disent il y a ce pasteur là-bas, il y a celui-là, j'écoute, je l'écoute sur les réseaux sociaux. Voici ce qui arrive, ceci. Ça, c'est une mauvaise pratique. On recommande de porter toutes les dîmes dans la maison de Dieu, afin qu'il ait de la nourriture dans sa maison. Et nous allons maintenant mettre Dieu à l'épreuve et partager ceci avec vous. Ce témoignage de ce qui est arrivé à notre soeur nous étions quelque part hors de ce pays, un dans le Seigneur, un programme. Il a terminé et il nous a envoyé pour dire allez, jouer ce message. Nous sommes allés quelque part par la grâce de Dieu. Nous avons rencontré cette une personnalité très très élevée, très bénie. Ce moment, il y avait un problème dans ce pays. Peut-être fois, voulait qu'on aille là-bas pour régler ce problème là et quand nous, l'un après l'autre, nous discutons avec eux, cette soeur dit, la personne dont je parlais à ce moment, elle n'était pas mariée. Elle avait déjà était avancée en âge. Elle a dit, pasteur, je ne paye pas mes dîmes. La raison pour laquelle je ne paye pas mes dîmes, c'est parce que si je paye mes dîmes, ce serait utilisé pour prendre soin de ce pasteur est là, à cause de ça, je ne paye pas ma dîme. Je l'ai amené dans la Bible pour dire, ma soeur, cela est mauvais. Vous ne payez pas la dîme. Vous allez vous priver des bénédictions de Dieu. Et elle s'est corrigée. Elle a commencé à payer sa dîme par la grâce de Dieu. Et pas plus, longtemps, elle quittait ce lieu. Le Seigneur lui envoya un baril. Lui envoya un En obéissance. Elle a pris, a compris ce qui n'allait pas. Ouais, la à la parole de Dieu apporte la souffrance. La souffrance. On ne peut pas recevoir la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi c'est très important que nous obéissons. Que nous obéissons. Et de ce que nous avons reçu ce matin, nous retournons à Sarko de temps les offrandes et le péché présenté. Comme je l'ai dit, Dieu utilisait les lois, les offrandes, et les sacrifices pour préparer les enfants d'Israël à la vie qu'ils auront à mener sur la terre promise. Donc, c'était par ces offrandes et sacrifices il reçut des instructions diverses et se les préparait pour la vie sur la terre promise. Et être, étant de Dieu un bon Dieu, il voulait s'assurer que sa relation avec eux demeure intacte. Demeure intacte veut dire qu'il devait lui obéir tout ce qu'on leur demande de faire aussi. C'est dans cette, seule obéissance, dans cette, dans cette euh, euh, ce pays, c'est pas cela là qui vont pouvoir jouir de promesse de Dieu, jouir de la vie. Que ce soit la vie que Dieu nous donne, c'est de nous assurer que nous maintenons une relation cordiale avec Dieu. Comme la question que notre frère a posée maintenant. Si nous voulons jouir de la vie que nous Maintenant, sur la terre, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous rassurer que nous obéissons à Dieu. Si vous voyez, Job, chapitre 36, Job 36, verset 11. Job 36, verset 11. Voici ce que les Écritures disent ici, Job, chapitre 36, verset 11. Verset 11 dit s'ils écoutent et se soumettent. Ils achèvent leurs jours dans le bonheur, les années dans la joie. Matthieu 7, verset 24. L'importance d'être obéissant à la parole de Dieu, comme on nous a enseigné. Et Matthieu 7, Matthieu 7, verset 24. L'important d'être obéissant à la parole de Dieu. Matthieu 7, verset 24. Verset 24, la Bible dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Comme les enfants d'Israël, ils ont obéi, ils ont gardé ces offrandes. Cela pour montrer l'appréciation à Dieu. Et ils ont fait des sacrifices qui étaient prévus pour l'expansion du royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous aussi, nous avons lu, nous avons étudié aussi Nombre, chapitre 15, verset 7. Nombre 15, verset 17 dit. L'Éternel parla là, Moïse dit à aux enfants d'Israël, euh, et dit-leur, quand vous serez arrivés dans le pays où je vous ferai entrer, et que vous mangerez du pain de ce pays, vous prélèverez une offrande pour l'Éternel. Notre, notre thème, ne mangez pas et oublier Dieu, vous allez manger ce que Dieu vous a pourvu. vous présenterez par élévation un gâteau, les prémices de votre pâte, vous le présenterez comme l'offrande qu'on prélève de l'air. Vous n'allez pas manger et oublier Dieu. C'est pour se souvenir de ce que Dieu a fait pour eux. Aujourd'hui, si vous voulez manger, Dieu n'est pas ici avec nous. Il est au ciel. S'il y a l'argent ou le riz, il y a, la, l'igname, pour parler au ciel à Dieu, lui donner. Le lieu pour, pour démontrer notre appréciation, c'est de le voir autour de nous. Si voici les frères et sœurs autour de nous dans la maison, dans le district, dans la communion, dans la cellule, et qui sont dans le besoin, et nous partageons certaines choses que nous avons. Ça, c'est la meilleure façon que nous pouvons le faire. Et comme nous l'avons lu dans Malachie, nous apportons dans la maison de l'Éternel toutes les dîmes et les offrandes. Et en montrant cette gratitude, euh, ce souvenir de Dieu, je vais conclure, ne pas trop long notre Père, la foi, a donné quelques expressions à la retraite. Il a, il a dit, il, donne un sens à ce qu'il avait dit. Quand je vois toutes choses, nous devons vivre avec lui dans la maison. Notre Père dans, notre dans le Seigneur, à son âge, nous pouvons venir à ce, parvenir à ce point pour dire il nous a conduits au point où nous sommes arrivés. Il dit qu'il a l'argent, le moins voilà il voir qu'il a. Il a un qu'il dit qu'il a, c'est dans ma poche comme son fils, comme son enfant. Il a des petits-fils. Et nous ne pouvons pas permettre des choses pour dire, il a dit ceci, il a dit cela, et tout ça. Hier, une se m'a appelé pour dire, papa, je veux te voir. Et il est venu pour dire, c'est quoi le problème Elle dit, la qualité des femmes enveloppe avec une grande somme d'argent et lui a donné. Et c'est comme ça de régler les problèmes. Comme nous disons, ne mangeons pas pour nous seuls. Dieu nous a bénis. La prière que l'homme de Dieu a fait pour nous et les bénédictions que nous recevons, nous devons aussi partager avec ceux-là. Nous avons été bénis aussi. Nous avons confiance en Dieu, que Dieu va nous aider. Nous ne sommes pas des frères de C'est nous sommes pour servir Dieu, montrer l'attitude à Dieu pour aller au pour dire prends un repos, prends l'argent. Non, pas rire. Non, l'argent est euh, dans notre poche. L'argent que le pasteur a, c'est dans ma poche, c'est dans ta poche. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? C'est notre Père. C'est là l'argent, l'argent dans ma poche et dans ta poche. Et montrant gratitude à Dieu, tout ce que nous avons fait, c'est de enfants que nous avons, partager, avec ce que, ce que nous avons avec eux. Et le faisant ainsi, c'est nous béni au nom de Jésus. Levons-nous, allons à Dieu dans la prière. C'est nous, nous allons prier ce matin que le Seigneur des cieux, rend obéissant à tout ce que nous avons reçu, en euh, payant nos dîmes, nous, si vous ne payez pas vos dîmes, vous faites mal. Assurez-vous que vous apportez toutes les dîmes dans la maison de l'Éternel, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de l'Éternel. Tous ces évangélistes dans les réseaux sociaux, vous pouvez voir autre moyen de prendre soin des mains, d'apporter toutes vos dîmes et soyez obéissants. N'ayez pas de problème avec la politique, avec euh, les principes de l'Église, l'administration de l'Église. Ce dont nous avons besoin de faire, c'est d'obéir et comme nous obéissons, le Dieu des cieux va nous bénir. Montrons de la gratitude à Dieu, comme ces enfants d'Israël avaient apporté ce qu'ils ont et en appréciation de ce que Dieu leur a fait. De la même façon, nous devons faire. Dieu n'est pas ici physiquement. On va dire Dieu prend le riz, mais lui, il a des représentants ici. Les frères, les pauvres, les les pauvres là-bas sont là-bas, sont autour de nous. Et point ce qu'on peut faire pour partager avec eux comme le faisons, le Dieu des cieux va nous bénir. Prions maintenant. Père, nous te remercions. Bénis ton nom pour ce que tu nous enseignes ce matin. Tout ce que nous te demandons, c'est la grâce pour être obéissant à toi. Seigneur, nous te prions comme nous t'obéissons. La bénédiction va se multiplier dans nos vies. Merci Père pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Thank you.